matasa barkanku zuwa duka studio Kalangu bonjour et bienvenue dans tous à la Fada, votre émission hebdomadaire de la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, nous parlerons du Ramadan, des préoccupations des jeunes dans ce mois. En cette période, qu'est-ce qui pose le plus problème en sucre ne, en kayan sallah ne, ko ka maganan akande kamata ka zamana. Comportement kinka cikin wannan azumin, kana azumi ya ne kamata ka zamana. Duka wannan zamu gani a cikin wannan shirin na tous à la Fada. Pour répondre à toutes ces questions, nous nous avons poser notre studio à l'université Abdou Moumouni de Niamey, un lieu représentatif de la jeunesse nigérienne dans toute sa diversité. Au menu de ce grand mag, des points de vue religieux, sociologiques, mais également la réponse des jeunes sur cette question. Il y aura également de la musique et enfin notre chroniqueur Olivier nous dira tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Nietzsche Aminyoko, Rabi Mekono studio Kalangu, bienvenue dans tous à la FADA. Anan de Mouna Chicken Gazon King bagale na université abdou muni de nyame to tare da mu muna da malam muhammadu tahiru sociologue ne muna da malam abdul samad president kin zawiya muna da abba muhammadu wani matashi ɗalibi na na university abdu muni nous avons également zainab zaku dit zainab la rebelle d'entre de jeux <laughs> oustaz ku mu tambaya mine ne azumi kuma yaya ne ya kamata a ce wanda yake azumi zaman shi ya ne ya kamata ya zamana comportement kin shi wannan comportement ne c'est quel comportement que le jeuneur doit adopter dans ce mois Très bien. Donc le comportement que jeuneur doit adopter eh, pour commencer alhamdulillah. Euh, azumi wata Ramadan wani wata ne wanda Allah ya farlanta wanda duk musulmi za su doka a lokacin da aka ce an ga wata Ramadan daga farkon shi Sha'ban ya mutu 29 ko kuma 30. Shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. ai ku ɗauki azumin watan ramadana da ganin wata kuma ku ajiye kuma da ganin shi saboda haka azumi a shari'a shine al-imsaku bi niyyatul ibadati billahi an jami'il muftirat shine kamewa daga dukkan abin da yake bata azumi daga daga bullawa alfijir har fadawar rana wannan kamewa kamewa na abin da yake na ciki daga abinci da kamewa da abin da yake na farji da duk kan gaɓoɓi ga baki ɗayansu don musamman abin da muke gani a yanzu daga matasa in an ce azumi mutum zai ga kaman an tsaya ne kawai daga rashin ci da sha kawai zuwa faɗawa rana a'a dole mutum sai ya kame duka jikin shi hannunsa da idanuwansa da kafafuwansa duk abin da Allah ya hana ga baki ɗaya a cikin watan sai ya hana gaɓoɓin shi ga baki ɗaya abin da ake so cikin azumi bawa ya dukufa ka baki ɗaya ya koma zuwa ga Allah kawai shi ake cewa azumi a takaice. Donc monsieur Abdou Samad nous devons éviter tout comportement qui annule le jeûne. très bien tous les comportements. Donc euh, l'autre euh, question, c'est la question du sucre. On doit donner, on doit recevoir euh, du sucre, mais en recevant du sucre, on donne un cadeau après. Donc Zainab, tu vas nous parler du sucre. Forcément, il y a un cadeau qu'on donne après le sucre. Quand on t'amène du sucre, après tu donnes des pâtes alimentaires, des tomates et même des pentades. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Non. Tu n'es pas arrivé à ce niveau. Ok, d'accord. Donc, Zainab, tu as déjà exigé du sucre To, le le na gode to, kahin ma mhm. Eh, in dai samari na bai kawo mini sukari ba, ni na ga kaman babban matsala ne kwa. Tunda abu ne da su kaka kaka kaka sun yi kenan dan mi ni ban yi shi kenan dole ne dole ne a kawo mini yo in bai kawo mini ba ai ya kai ma wata abba ya ne kai sukurkin naka kai a ni gani nike tambaya nan ba ba yi shi daidai ba na taba kaiwa sikir tunda kowa ya taba so ya kaiwa sikir ko da su ɗaya ne ko da su ɗaya ne ma <laughs> to gani nike ya kamata eh, duk eh, matashi a cikin wata nan da ake ciki eh, inda lalle lalle yana so wanda suke tare ya kamata sukari mahimmanci ne gare shi a cikin watan nan kina ya kamata kowa ma ya kawo sikir wanda bai kai wa shi masaran shi ɗaya da Zainab. Monsieur Tahir, vous venez d'écouter euh, nos jeunes qui disent que c'est carrément primordial d'amener du sucre. Ça vient d'où C'est quoi l'origine de, de, cette pratique to eh, origine ko abun ga na wannan al'ada saboda al'ada ake ce mishi kun san cikin akwai abun da al'ada ne akwai abun da addini ne. shi kuma ka azumi ka addini ne don ka adiba addini mai ce shi addini cewa ya yi kamar mutane su rika taimako cikin watan azumi in ya zo kuma mai da suna dan a ƙara dankon zumunci kenan addini bai rataya ma ba jama'a abin da shi shi shine kamata a aka ce watan azumi a ba wata bane na al'ada haka a watan addini ne kuma abubuwan da ya kamata a yi abubuwan da addini ya ce a yi saboda shi ne kamar tun harko har ƙarshen azumi in kana da kana iya kaiwa in baka da baka iya kun ga kun aza wata wata tambaya tebure eh, mutane an ce a taimaki juna in wata azumi ya zo a mai kowa ya yi bakin ƙarhin shi kenan eh, ya kamata a bada ga wanda ga yana da niyyar ya bada mai ba dole ba amma ba dole ne sai ba yin obligation sai ba yin obligation da le sucre kawo dole cikin mhm. wannan tahiya yana ƙara bata kamar manuhan ma da aka ce a rika taimako kenan mhm. mutane mhm. bai kamata ba an addini ya ce su kawo an sa al'adunsu can daban wanda ba su da wani alaka da addini kuma a ce dole dole sai an yi ba eh, to zainab kina Maintenant, une mm. autre question, c'est celle des habits, de l'habillement. Zainab mm. Gayamini, dole ne sai an sa leshi, sai an sa bazan, sai an yi makiye, an yi coiffure, sabo dole ne? To, nan kote dole ne, ko ba bazan ba, ko ba leshi ba, yau akwai zane mana, akwai tishu mana. Ai in mutum bai yi shi ba, ai ni na ga kaman bai yi komi ba kwa. tunda sun aza in mun ce muna so wani abu sun aza kaman kuɗin ne muke so ba ma su ba kwa idan su barke haka nan in dai sallah ya kai ku tai ku nemo ku nemo kayan sallah ku kawo in ba haka nan ni dai zan koye mutum ha in bai kawo sukari ba bai kawo kayan sallah ba donc si tu ne fournis pas les kuma ko a ce ran sallah muna ta gidansu ha a haba gaskiya bai kamata ba yo babana da mamana ne kuke so su sayo mini kaya sai in ta gidanku su gane ni aha donc ya samu banza baba na da mamana sun yi nasu sun sun bani sun bani sai da na girma kasu ke a ina mamma ina baba yo suna nan mana yo kai ma ka yi mana mhm. ba kai ka ce su les garçons c'est à vous d'apprécier c'est vous qui appréciez donc c'est à vous d'offrir euh, le bazin le pagne et tout qu'est-ce que tu en penses Abba ni fa duk zancen nan da ta yi duka na gamsu haka nan ne tunda kamar in kun fahimci abin da take gai ba material kin ba ne wa ba wannan ba ne ce ne pas sadir ce ne pas ça l'important c'est que kaman c'est un truc symbolique mine ne ma amfanin kana matasa kana nan gana bugun kirji kake cewa kana da wannan shi kuma ga ya ka sallah ko ana cikin azumi ba kama iya ka samu sukari ko ko wannan shi ai ko akwai matsala ko ba haka nan ne ba gaskiya ne gaskiya ne donc abba il est d'accord avec Zainab sur cette question justement, sur cette question, notre reporter Tanana Foudaï s'est penché sur la question. Il est à la rencontre des jeunes. Nous l'écoutons. Pendant les mois de Ramadan et à l'approche de la fête de l'Aïd al-Fitr, les garçons sont invités à offrir sucre et habits à leurs copines ou fiancées pour leur témoigner de l'amour. Cette pratique prend une nouvelle tournure et s'avère de nos jours comme une pratique coutumière. Le jeune Abdoulaye, trentenaire, s'était fiancé depuis bientôt un an et trois mois il n'entend pas déroger à cette tradition. J'ai jamais fait, mais cette année, je, compte le faire parce que je suis dans une relation très avancée. Mon mariage, euh, c'est une question du jour. Je suis moralement invité à faire tout ceci pour me conformer à la culture. Je ne veux pas donc démissionner. Je ne serai pas le premier à pour d'autres comme Boubacar Mohamed Abba, il n'est pas question d'habiller une femme avant de l'épouser. Avant le mariage, les filles sont sous l'autorité de leurs parents, argumentés. C'est à eux qu'on comble le devoir de les habiller. Pour habiller une personne, il faut que ça soit ta femme. Mais quand elle répond au nom de ta copine, là, c'est pas obligé. Elle peut être ta copine et être la copine de quelqu'un aussi. Dans ce cas-là, si tu te mets ce fardeau-là de l'habiller à chaque moment, mon frère, ça arrivera à un moment où tu ne peux plus gérer. Pour Nadia Seydou, 19 ans, les garçons ne doit pas prendre tout en charge, mais il doit faire un geste symbolique, ne serait-ce qu'offrir les sucres à sa copine. L'habillement et la prise en charge avec tout ça, s'il n'a pas les moyens, c'est pas nécessaire. Peu de filles voient ça, mais c'est pas l'important. L'essentiel, c'est qu'ils soient toujours ensemble. La coutume, c'est qu'il amène le sucre. C'est un peu gênant qu'un garçon te donne de l'argent pour t'acheter des vêtements de fête alors que tes parents sont là. À l'approche du ramadan, les sucres et l'habillement pour la fête s'avèrent comme les indicateurs d'une relation sérieuse dans un couple. Cependant, compte tenu de la sécheresse dans les portefeuilles, beaucoup de garçons sont dans l'incapacité de remplir ses devoirs et l'absence de ces cadeaux provoque régulièrement des bruits au sein de nombreux couples. Merci Tanan. Outre les invités que nous avons, nous sommes également entourés par de jeunes étudiants ici au Gazon Mbagalé de l'université Abdou Moumouni. Ils ont aussi leur mot à dire sur cette euh, émission. Nous accueillons tout de suite un jeune étudiant qui va poser sa question. Bonsoir, Jafar, tu peux poser ta question La question que je voudrais poser, c'est auprès du Oustaz. Et son niki sani wemi yani Azume Wenda, Sonsan, bayan ba ruwa wani ba su cin wani abinci me ana ganin su suna wata magana banza suna kallon wasu abubuwan banza malgare ke suna da azumi yani azumi iri wa'annan mutane shike shine nake so in sani donc monsieur Abdou Samad pourquoi euh, ces jeunes qui sont là en train de jeûner qui ne mangent pas qui ne boivent pas mais qui posent des actes qui peuvent euh, annuler leur jeûne qu'est-ce que vous avez à dire euh, sur ça diyawa daga masu yin azumi kawai suna yi ne bisu samu komi a cikin sakamako na lada sai dai ishirwa kawai da yunwa kawai duk wanda bai bar bakarya kuma da aiki da ita da duk ma wani aikin sabo dai to Allah baya bukatuwa zuwa ga barcin shi da shan shi a cikin azumi kenan ma'ana dai ala ayyi halin mai azumi dole ne idan ya rabu daga ci da sha donc monsieur Abdou Samad tous ces SMS sur WhatsApp ces bisous ces émoticônes avec des bisous des cœurs <laughs> sont à proscrire c'est ça non le fait de rédiger un SMS ça ça ce n'est pas un problème par exemple bonjour bonsoir parce que même si dans le cadre comme ça s'appelle d'un foyer conjugal c'est permis par exemple c'est permis il n'y mm. euh, a aucun problème Monsieur Kona, c'est de se rapprocher ou bien de parler. D'échanger des propos. Donc nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent nous envoyer leurs questions et également recevoir nos contenus mhm. sur euh, notre numéro WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54 kenan kuna iya samun duka bayani bisa kan wannan shirin da muke nan kuna iya aiko muna tambayoyinku bisa kan 80 06 88 54 in kuka aika jeune par message. Donc. Euh, bisous de parce que le fait de dire bisous, ça peut aussi attirer d'autres choses quoi. Quand même, quand même, c'est à éviter, selon, selon monsieur euh, Samad, c'est à éviter au maximum. <laughs> Au maximum. Ok, donc euh, je ne sais pas si parmi l'assistance, il y a une autre question. Donc moi, la question que j'ai à poser ici, c'est à l'endroit de notre ami sociologue. Donc j'aimerais savoir l'impact de cette euh, tradition de sucre et de couture de fête. Donc est-ce que ce n'est pas un facteur qui découragerait les jeunes euh, camarades ou c'est pas un moyen de commerce si on peut le dire pour nos <laughs> amis filles Voilà. Donc comment euh, haraka haraka sukari har don don shi sa mutane suke ba da shi manna ya yi pozan ke son kamar yadda na gane ke son in kamar namiji ya ba mace kamar abin da muke so mutane dai su gane kamar abu duk abin da ake yi cikin sosete kamar dan a karfafa zumunci cikin sosete on doit faire des efforts purke que society kamar ci gaba purke matsaloli su rage namijin da zai kai sukari tana tanawa cikin kanshi don abun ga in ya zo neman armi kai samu wa'ansu difficulty don shi sa ke kai kari ta ga wannan fanni abun bai da matsala don ka kai in kana da halin ka kai kari mai mu abin da muka ce kama a tilasta sai sai ki amen da problem dalla so sai sai sai ki amen des dysfonctionnements de la société. Et ça, on doit éviter ça. Si tu as pour un carton de sucre, tu amènes. Si tu as pour un paquet de sucre, tu amènes. De toutes les façons, mhm. ce qu'il faut privilégier dans donner des sucre, payer, c'est les symboles et aussi c'est qu'avant de faire ça, il faut se soigner de la bonne intention. Quand tu amènes, tu es de tes maris. Et si on va s'en tenir à cette question, il y a ceux qui amène des secrets, il y a ceux qui amène de l'habillement à mauvais dessin pour aboutir à un objectif et laisser la question du mariage. Donc il faut raisonner en termes d'équilibre et en termes de l'ordre de la société. C'est ce que je pense. Merci, Monsieur Tahirou. Nous vous revenons juste après cette chanson spéciale à Ramadan. رمضان مبارك لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن هابي رمضان to all Muslims all the Quran descends in this holy month أريح بك يا شهر رحمه يا شهر رمضان بك أرجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار cité Abd Moumouni au gazon Mbagale. Nous sommes avec des étudiants et comme nous le savons, le ramadan c'est aussi synonyme de fatigue, de faim. Comment vous arrivez à gérer Monsieur Abba. Euh, avant de répondre à la question, j'aimerais compléter mon ami euh, André qui a répondu à une question sur l'impact que pourrait avoir hein, le, fait de ne pas donner de sucre à nos petites amies eh bien, il y a un impact, le pacte le plus euh, auquel on assiste le plus aujourd'hui dans notre société, c'est que c'est la séparation, hein, c'est la rupture. Hein. Plusieurs couples, des fois même, arrivent à, ne pas se comprendre hein, parce que le mari ou le prétendant n'a pas pu amener de sucre. C'est ça, c'est l'impact le plus visible parce qu'aujourd'hui, euh, il n'y a aucun jeune qui peut venir dire que lui, il n'a pas amené de sucre chez sa belle famille, eux qu'il en paix, il n'y en a pas. Donc euh, voilà l'impact le plus triste et le plus, euh, le plus quotidien hein, auquel on assiste. Alors. Euh, donc il y a des couples qui se brisent. C'est cela, ça c'est quotidien. Hein, c'est ce que chaque jour, bon, je ne dirais pas que c'est trop dit de, fait dire chaque jour que Dieu fait, mais quand même, il est, il, est un secret des personnes que, voilà, ceux qui n'amènent pas de sucre arrivent à avoir des difficultés dans leur foyer, ceux qui n'arrivent pas, qui n'amènent pas de sucre arrivent à avoir des difficultés dans leur couple de façon générale. Mm. Et ça, c'est l'impact le plus triste de. Ah, le fait de ne pas amener de sucre. Ok, merci. Euh, par rapport euh, aux fatigues, la faim, comment vous faites pour gérer Bon, la fatigue, euh, la faim, et tout ça là, ce sont des obligations religieuses auxquelles nous avons accepté d'adhérer. Et que là, je ne pense pas que si dans notre société, en tout cas la société nigérienne, si on arrive à faire face à ce genre de difficultés, je ne pense pas. C'est parce que c'est dit que voilà. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu un jeune en tout cas sous prétexte de la fatigue, à arrêter de jeûner. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu. Et maintenant, les études, les études, les études. Euh, les études, il faut concilier les jeunes avec les C'est cela. Par exemple, vous ne pouvez pas, quelle qu'en soit votre volonté, votre, quel qu'en soit votre dévouement à étudier, c'est qu'à une certaine heure, la journée, vous ne pouvez pas étudier parce que les besoins sont énormes. Le ah, cerveau ah, ah. veut, le ventre, les yeux, tout, tout, tout. Donc voilà, vous ne pouvez pas continuer. Et même la nuit, si vous ne faites pas attention, vous ne pouvez pas continuer parce que si vous faites toute une journée sans rien manger, sans rien voir, et que à l'instant que vous prenez de l'eau, généralement on consomme beaucoup d'eau. Maintenant, après la consommation de, de cette eau-là, c'est la fatigue qui intervient. fatigue Donc vous ne pouvez pas. Maintenant, quitte aux étudiants et aux élèves de concilier les jeunes avec les études. Pour ce faire, je disais tout à l'heure dans mon intervention qu'il faudrait que les étudiants se reposent. Il faudrait qu'ils se reposent. Maintenant, moi, je sais qu'à partir de, 8h, ou quand, après la prière de Sobra, jusqu'à 10h, 11h, si on a la volonté, on peut étudier. Mais au-delà de 11h, quand on dépasse cet intervalle-là de 11h, on ne peut plus étudier parce que ça, voilà, tout intervient à ce moment-là. Maintenant, c'est de créer les conditions entre 8h, 6h, 7h, 8h jusqu'à 11h, mhm. de, voir dans quelle mesure euh, on peut étudier. Étudier, s'exercer et tout. Zainab, cette question t'est également adressée. Les filles, euh, on prépare à ben, manger et tout. Cette fois-ci, je pense que euh, je ne vais pas marier son idée parce que c'est les garçons qui ne se fatiguent pas. Ben, disons que nous, les filles, prenons l'exemple d'une fille unique qui est à la maison parce qu'elle ne peut pas regarder sa maman faire tout le travail. Avec les études, il a pensé de réviser le matin, disons euh, après le souvour jusqu'à 11 heures. Mais c'est pas possible parce que après le souvour, il y a d'autres tâches qu'elle va faire. Donc, euh, du coup, pour moi, c'est pas facile d'étudier pendant le mois de Ramadan parce que moi, depuis le début jusqu'à présent, j'ai pas, j'arrive pas à étudier en fait. Je pars à la fac juste pour euh, la présence, mais je suis pas dans la salle. Je suis, mon esprit est ailleurs. Avec la faim et la soif, c'est pas du tout possible. C'est pour travailler, pour ne pas que la maman se fatigue, pour ne pas que la maman euh, avec le jeûne. J'ai pas envie de voir ma maman dans la cuisine. Moi, je suis jeune, je peux supporter un peu, je peux supporter, mais supporter pour ne pas supporter les autres comme les études. Les études, bah, ça va venir après. J'aurai le temps. De toute façon, c'est un mois. Donc, euh, après les mois, là, je peux rattraper les, euh, les, cours et consorts. Bah, mm. oh, bah, justement, sur cette euh, question, notre reporter Rukayatu a visité une famille afin de savoir comment sa jeune étudiante, gère ses études pendant ce mois de Ramadan. Dans la cuisine, la faim au ventre, Nafissa s'active pour finir les préparations avant l'heure de la rupture du jeûne. Élève dans un lycée de Niamey, Nafissa explique comment elle s'organise pendant ce mois de Ramadan. En période de carême, je fais tout le travail, la cuisine, le ménage, avant d'aller à l'école, vers les 6 heures, je me lève tôt pour faire un peu de ménage de la maison. En revenant de l'école, j'achète les condiments pour la préparation. C'est fatigant, mais c'est une obligation en tant que musulman. Pour mes révisions, j'ai un emploi du temps. C'est de me lever au bon milieu de la nuit pour réviser mes cours. Avec la bénédiction de maman, j'arrive à m'en sortir. C'est avec fierté que la mère de Nafissa salue les efforts de sa fille qu'elle considère comme une bénédiction. Toutes les tâches qu'elle accomplit sont une bénédiction pour elle dans ce mois de Ramadan. Son père est exigeant. Il ne mange pas les repas préparés par une bonne. Quelquefois, je l'aide quand ma santé me le permet. À l'image de Nafissa, beaucoup d'élèves et étudiantes savent bien s'organiser en ce mois de Ramadan où la faim, la soif et surtout les bénédictions sont au rendez-vous. Voilà, avant de clôturer cette émission, place à la chronique d'Olivier. Ça va Olivier Oui, tu vas bien Cette semaine marquée par la prière et la concentration du mois de Ramadan regorge aussi des événements à ne pas louper, des opportunités d'emploi et aussi des formations. D'abord, ce dimanche, à partir de 11h00, le jeune Ahmed Barry vous offre une formation en art de l'apprentissage. Vous allez apprendre à comment mémoriser ces leçons en très peu de temps et cela, ça se passera au quartier Lazare. Dans le monde du cinéma, ne ratez surtout pas la projection du film Pokémon Détective Pikachu, un dessin animé super intéressant que je vous recommande. C'est d'ailleurs euh, ce vendredi à partir de 17h00 à la salle Canal Olympia de Niamey. Pour les fans du rap français, la bonne nouvelle, c'est la sortie de la réédition de l'album Ceinture Noire du rappeur franco-congolais Maître Gims. Dénommé Transcendance, vous pouvez retrouver des titres comme Nalingi, dans lequel le rappeur vous dit toi de ceux qui disent que tu t'es mis en danger, éloigne-toi de celui qui souvent tu as changé. Le cœur des gens s'apaisera le jour où tu vas sombrer. Et ne regarde pas derrière. Enfin, côté emploi, la coopération italienne recrute pour le poste de consultant en études de capitalisation des bonnes pratiques. Quant à Oxfam Niger, l'ONG recrute pour le poste d'auditeur comptable. Ça sera tout pour cette semaine. Dans l'espoir de vous retrouver dans un monde meilleur, portez-vous bien. Merci Olivier pour cette chronique euh, super riche. Donc euh, nous revenons avec nos invités. Un dernier mot. Voilà, avant de lancer les derniers mots, je dois revenir sur la question de la fatigue pour que les jeunes du ramadan et pour les musulmans et les musulmans, il est dit c'est celui qui s'organise. Vous avez donné tantôt un exemple, ça a été vérifié les meilleurs moments peut-être d'assimilation de ces cours, de ces révisions, peut-être c'est après l'aube, les jambes, euh, après avoir fait la prière de Fajr là, quand vous venez, vous pouvez réviser la nuit, les gens peuvent s'organiser. Je pense que les gens doivent s'organiser. En plus, c'est un mois de dévotion totale. Il y a des pratiques religieuses que les gens doivent faire en dehors des manger. Il y a beaucoup d'aspects qui interviennent, mais aussi il y a la question d'organisation. Donc, euh, le mot de la fin, en conclusion, je voudrais dire sincèrement que le mois, c'est un mois de dévotion totale, c'est un mois de la solidarité, c'est un mois où la société se réconcilie avec elle-même. Donc les gens doivent profiter de tous les avantages et se conformer à ces mois aux prescriptions divines et prophétiques lié à ces mois et aussi tout ce qu'il y a comme avantage de ces mois, de chercher à capitaliser ça au-delà de ces mhm. mois afin d'avoir une société plus harmonieuse, plus réconciliée et qui tend vers le progrès et l'ordre social. Ce que je voulais dire en tant que mot de la fin. Je vous remercie. dans la paix et dans l'harmonie. Ah C'est d'abord euh, de remercier le studio Kalangu pour euh, avoir créé ce cadre. Ensuite, euh, l'exhorter à persévérer dans l'excellence parce que c'est vraiment c'est un cadre voilà, qui, qui est aussi du donner et de recevoir, hein, parce que bon, fait, le fait d'inviter euh, euh, euh, le président de Zawiya, le sociologue, et, même, euh, voilà, il y a, y a la rebelle Zainab, voilà, je pense que nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup aimé ce cadre-là, dans l'espoir de, revoir le même cadre à l'université, pourquoi pas sur d'autres thèmes. Mhm. Donc voilà, mais mon, de, la Ça marche. Zainab, ton dernier mot Alors, je tiens beaucoup à vous remercier d'avoir pensé à l'université Abdou ça fait vraiment plaisir. Alors en conclusion, moi je tiens à dire euh, à la jeunesse que le mois euh, de Ramadan est un mois béni où l'on doit multiplier nos bonnes œuvres, l'on doit purifier l'âme et surtout euh, se réconcilier avec les gens, avec la société. Donc en euh, un mot, c'est ce que je peux hmm. dire en conclusion. Eh bien, donc eh, moi enfin donc eh, Allah karfafi gidan wannan radio da ya tsara wannan mai muhimmanci musamman akan abin da ya shafi azumin Ramadan, abin da zan ce kuma akan magana ta la fatigue na gajiya. Na farko dai duka musulmi gaba ɗaya ya kamata su san cewa wannan Allah ne ya ce a yi hakan to tunda Allah faɗa haka akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki sai dai shawaran da zamu bada ga dukkan masu azumi musamman matasa idan mutum ya wuni daga farko zuwa ƙarshen ya zo shan ruwa to ya hakuri saboda a lokacin ciki yana son ruwa da abinci sosai to sai ya haƙuri kai ya ci da yawa kuma mu je an annexé daga ya cika cikin shi ya sha ruwa da yawa daga ya ci abinci da ya cika cikin shi to dole gajiya zai ba abin da ke bukata sai barci to anan karatu ba ya zo ba balle ibada shi ko abin da ake zama musamman watan an ke shi ne dan ibada a ciki da yawa kuma da dukkan ayyuka ga baki daya dole ne musulmi ya yi kokari a ciki wannan watan ya haka to idan mutum ya kiyaye insha Allahu ba gajiya in mun nura za mu ga farko akwai wahala amma yanzu ana hajjikin kuma ya saba jikin ya mm-hmm, saba mm-hmm. yanzu sai aka kamar ma ba azumi haka ne sai dai kuma da muna Allah ya taimaki wannan wannan gidan rediyo da ya yi karayin wannan kadar wannan deba akan saunawa akan abin da ya shahi azumi musamman matasa kuma shine dai karshe abin da za mu faɗi kuma mun yi godiya da wannan gidan rediyo wannan studio fada a Kalangoune, n'est-ce pas Et eh, Oui, tous à la fada, Allah saka Merci à tous nos invités. Nous sommes donc au terme de ce grand débat. Merci aux invités encore. Nous étions depuis euh, le gazon Bagalé de l'université Abdou Moumouni de Niamey, Monatarada. Mohamed Tahirou, dit André de Ustaz Abdou Samad Président Kinzaouia. Abba Mohamed, <laughs> Abba Mahamadou Ari shi Université Abdou Mouni de Zainab Zakou dit Zainab la Rebelle la déléguée adjointe de la commission féminine de l'université de Niamey et n'oubliez pas de nous envoyer des questions et de recevoir tous nos contenus abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant Jeune au 80 06 88 54 Lambamuta WhatsApp Itache 80 06 88 54 jeune a message Zakusamu duka karin bayani aika très bonne rupture de jeune à toutes et à tous au revoir sur studio Kalangu